Alors, bonjour monsieur. Allô Oui, je vous attends. Voilà, je disais euh, donc de vous présenter d'abord à nos auditeurs. Donc, euh, bonjour à tous. Moi, c'est Moumouni Kaouji Je suis prévisionniste à la direction de la météorologie, mhm. en fonction de la, euh, charge de, de l'information météorologique. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le temps qu'il fait à Niamey ces temps-ci, cette poussière, et d'où ça vient et jusqu'à quand ça pourrait durer et effectivement, depuis le début de la semaine, on a constaté vraiment de la poussière euh, sur, euh, sur Niamey notamment. Mais euh, c'est un phénomène qui touche toutes les régions du Niger, donc du nord jusqu'au sud, en passant par l'est et l'ouest du Niger. Donc, euh, celle qu'on a vu les trois premiers jours, c'est de la poussière qui provient essentiellement euh, de la partie désertique du Niger. Vous savez que nous sommes actuellement pendant la saison sèche et froide. Mhm. Donc, euh, c'est une période où il y a la prédominance des vents d'armatan. Les vents d'armatan qui sont des vents du nord, qui descendent vers la partie sud jusqu'à l'ouest du Niger. Donc ce sont ces vents darmata qui ont euh, soulevé la poussière désertique et qui l'ont propagée sur le sud du pays et même euh, sur la partie euh, ouest du Niger. Donc la première portion, celle que nous avons, celle que nous sommes actuellement en train d'observer sur Niamey, depuis le début de semaine, est d'origine désertique. Et c'est tout à fait naturel parce que nous sommes toujours dans la saison, cette saison sèche Froide et est généralement au Niger par euh, les baisses de température de la nuit, mhm. mais également par euh, l'observation des phénomènes de poussière. Euh, il faut savoir que cette poussière-là, elle a des conséquences notamment sur la visibilité qui est réduite. Et de façon beaucoup plus notable, les visibilités ont été les plus réduites sur la partie est du Niger, à savoir vers Agadez, sous le nord vers Agadez euh, et Bilma, où les visibilités ont été réduites jusqu'à 800 mètres. Mm. Euh, à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier, il y avait une deuxième source de poussière qui avait qui, qui, s'est euh, soulevée à partir du Tchad, de l'est de, l'ouest du Tchad. Vous savez que sur l'ouest du Tchad, il y a une source de poussière qui est connue mondialement, donc qui est la source du Baudelaire, mm-hmm. donc qui s'est réactivée donc qui a soulevé une très grosse quantité de poussière et qui a, déjà commencé, qui avait déjà commencé à, intéresser la partie est de Difa. Et donc cette poussière-là, elle est actuellement au niveau de, Zander et elle est en train d'avancer pour toucher déjà Maradi et, Tawa. Donc cette deuxième source de poussière qui est en train d'être observée à l'intérieur du pays, et où même des visibilités sont passées à moins de, 200 mètres, hein, donc au-delà duquel on ne peut pas apercevoir un, obstacle. Donc voilà un peu la, genèse de, ce phénomène que nous sommes en train de voir sur euh, ces quelques jours. Et maintenant, jusqu'à quand ça pourrait durer En tout cas, cet, état de fait va continuer à être observé jusqu'en fin de semaine. Donc, en fin de semaine, on aura une petite, euh, accalmie, donc euh, à partir de laquelle euh, le phénomène pourra reprendre. Ce qu'il faut euh, ne pas oublier, c'est que nous sommes toujours dans la période où cette poussière-là est, observée. Même pendant le mois de mars, souvent, c'est un phénomène qui peut s'étendre. Mm. D'autant plus qu'on a connu un petit retard cette année par rapport à l'avènement de ce phénomène-là que nous observons chaque année. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à, à ça. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.